quotidien quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 novembre 2022 et nous considérons notre thème La justice retardée. La justice retardée. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour encore ce, ce matin, cette opportunité que tu nous de d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides à l'entendre et la mettre en pratique. Seigneur, conduis-nous dans cette étude. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui la justice retardée. Et nous allons considérer notre test de lecture dans 2 Samuel chapitre 3. Nous sommes à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. C'est 2 Samuel chapitre 3. Nous sommes à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. S'il vous plaît, ouvrez la Bible avec moi. David dit à Jaob, Job, euh, et à tout le peuple qui était avec lui. Déchirez vos vêtements et craignez-vous. Saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner, le roi de David, marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sepulcre d'Abner et tout le monde, le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un criminel, tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant tes méchant, Et tu le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha sur David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour, mais David jura en disant, Que Dieu ne me traite dans toute sa rigueur et si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et éprouvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'est pas ordre du roi qu'Abner, fils de avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royal, et ces gens, les filles de sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Nous considérons la justice retardée. Le verset clé se trouve dans le verset 39 qui dit je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Chiruja, sont trop puissants pour moi que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Allons dans le message. Horace Gray, ancien juge adjoint de la Cour suprême des États-Unis, a dit un jour à un homme qui avait comparu devant lui, devant une juridiction inférieure et avait échappé à la condamnation pour un détail technique. Regardez ce dit. Je sais que vous êtes coupable et vous le savez. Et j'aimerais que vous vous teniez debout devant un juge meilleur et plus sage. Et que là, vous soyez traité selon la justice et non selon la loi. Notre test aujourd'hui révèle la réaction du roi David à la vengeance meurtrière exercée contre Abner, le fils de Ner, capitaine de l'armée d'Israël, par Joab et son frère, Abishai. Abner a été assassiné pour avoir tué à Sahel leur frère. Abner avait rendu visite à David à Hébron avec l'intention d'unifier tout Israël sous son royauté. Alors, sur le chemin du retour, Joab envoyait des messagers pour le ramener sous un prétexte et le fit, le fit poignarder à mort. Il le fit poignarder à mort. David voudrait, voulait que tout Israël sache que l'ordre de tuer Abner ne venait pas de lui, il ordonna donc à toutes les personnes présentes d'accompagner la depuis d'avenir jusqu'à la tombe. Se joignant lui-même au cortège euh, euh, funéraire et faisant des lamentations sur lui en gênant. Joab, selon la loi, aurait dû être mis à mort pour cette violation flagrante de la loi mais il a échappé à cause de son pouvoir et de son influence en tant que commandant de l'armée à cette époque. David ne pouvait pas appliquer la loi parce que Joab et ses frères étaient trop forts pour lui. Toute tentative de traduire Joab en justice aurait pu déclencher une division dans l'armée et déstabiliser le régime naissant de David. Mais justice différée n'est pas justice refusée. Le bras long de la loi est finalement rattrapé. Joab, qui a été exécuté par la main de Benaha sur l'ordre de Salomon. Peu importe le temps que cela prend, ceux qui font le mal ne peuvent échapper à la justice divine. La seule euh, la seule euh, issue est la repentance. Oui, la seule remède est la repentance et la restitution authentique. Que Dieu nous aide à le faire au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te rendons gloire. Nous te attendons pour ce que tu as fait dans notre vie. Tu ne te louons car tu es un Dieu juste qui jugera sur la vérité sans partialité. Seigneur, nous prions pour que les saints soient protégés des maux de l'enlèvement, des vices de l'enlèvement, du banditisme, des maux de soulèvement, du banditisme et d'autres causes de décès prématurés, des péchés qui amènent la mort prématurée. Nous prions que Dieu, Seigneur, fasse prévaloir la primauté du droit et de la vraie justice dans notre nation. Seigneur, nous prions que tu fasses prévaloir la primauté du droit et la vraie justice, Seigneur, sur notre nation, dans notre nation, notre pays. nous prions pour que nos dirigeants aient la crainte de Dieu qui les fera rechercher la justice en toutes circonstances et sans partialité. Si nous prions pour le réconfort et le soutien divin pour les frères endeuillés de notre nation, pour les personnes qui sont tuées pour rien qu'ils n'ont fait, qui ont trouvé la mort prématurée, les gens qui sont dans la prison sans défaut, si nous prions, aie pitié d'eux, et Seigneur, ramène-les, sauve-les de cette situation au nom puissant de Jésus. Seigneur, te remercions. Ceux qui sont accusés faussement, Seigneur, juge leur cas. Sauve-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, peu importe en combien de temps la justice sera rendue. Peu importe en combien de temps la justice sera rendue. Notre lecture biblique aujourd'hui est prise dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9 jusqu'au chapitre 13. Merci, que les vous bénisse.